Freud. Ah, Je que ça va. Merci hein. beaucoup. Mesdames et messieurs, les micros sont ouverts. Voilà, mesdames et messieurs, Chers journalistes, merci d'avoir été patients. Nous allons sans tarder passer donc euh, à cette activité qui vous présente aujourd'hui. Euh, cette conférence de presse qui sera animée par euh, Mme Amina Aminata Touré, liste de la coalition benoît Merci. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord euh, saluer nos militants venus nombreux. Ils sont toujours mobilisés à toute heure du jour comme de la nuit. Mesdames, Messieurs, je voudrais euh, vous remercier pour votre disponibilité, Mesdames, Messieurs les journalistes. Euh, nous interviendrons d'abord en français et nous ferons un résumé en Wolof et nous prendrons deux ou trois questions puisque nous devons également passer à d'autres activités. Nous avons notre assemblée générale, euh, nous avons une réunion en tout cas du département de Dakar qui devra suivre. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a eu à prendre les décisions que vous connaissez. Euh, d'abord, euh, celle qui nous concernait directement, le parrainage, évidemment, d'un revers de cette demande d'invalidation a été rejetée et considérée même comme irrecevable. Parce qu'évidemment, notre parrainage était d'excellente qualité avec un taux de rejet extrêmement bas. Je le rappelle, 55 328 et nous n'avons eu que 27 rejets. Donc félicitations à vous, chers camarades. Pour ce qui concerne la deuxième décision, qui concerne la liste Yahweh, nous voulons dire que nous saluons la maturité de la démocratie sénégalaise. C'est ça le plus important. Et nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel. Nous prenons acte. Parce que tout simplement, nous sommes des républicains. Et nous restons dans la logique qui est la nôtre, puisque nous avions dit au delà de toutes ces déclarations, etc., le plus important, c'était que les organes chargés de décider le fassent et qu'on s'en tienne à leur décision. Donc, nous prenons acte euh, de la décision du Conseil constitutionnel. C'est l'occasion également de dire très clairement que nous sommes scandalisés par la sortie du député Ousmane Sonko d'hier. Une sortie inacceptable qui montre qu'il ne croit pas au système démocratique sénégalais. Autant nous, nous reconnaissions et nous l'avions dit qu'il fallait s'en tenir aux décisions des organes consacrés, le Conseil constitutionnel en l'occurrence, autant lui, pensant ou imaginant qu'une décision pouvait lui être non favorable, a appelé à toutes sortes, toutes sortes d'attaques contre nos institutions. Nous allons marcher par-ci, nous allons marcher par-là. Ils ne marcheront d'ailleurs pour aller nulle part. Ils n'iront nulle part. Mais c'est une décision, des propos qui sont inacceptables. D'appel à l'insurrection. Le Sénégal existe, je voudrais le rappeler, depuis bien avant le député Ousmane Sonko. Bien avant. C'est un le système démocratique qui lui permet de s'exprimer, qui nous permet à nous tous de nous exprimer, a été construit à la sueur et au sang de nombreux patriotes, de leaders politiques, dont certains ont eu même à perdre la vie. C'est ce, système démocratique qu'il nous faut préserver, qu'il nous faut renforcer. Et nous voulons lancer ici un appel clair à la jeunesse vous n'êtes la chair à canon de qui que ce soit. Vous ne serez jamais la chair à canon de qui que ce soit. Parce que vous êtes la France consciente, de notre peuple. D'ailleurs, si vous regardez la liste de, de vous verrez très peu de jeunes. Donc quand il faut, quand il faut se disputer les postes de députés, il n'y a pas de jeunes. Mais lorsqu'on pense que eux, ils pensent qu'ils ont un intérêt particulier non républicain. Ils vous appellent dans la rue. Cela est inacceptable. Mais également aux électeurs sénégalais. Nous voulons dire ceci. En tout cas, nous, nous considérons et nous pensons que c'est l'écrasante majorité des populations sénégalaises avec nous qu'aujourd'hui, le Sénégal, qui s'est bâti, comme je l'ai dit, pendant des décennies, pour construire cette démocratie que beaucoup nous envient, en tout cas que tout le monde nous reconnaît. Cette démocratie-là, elle a des processus connus. Nous, nous l'avions dit dès le début, nous reconnaîtrons les décisions des organes que nous nous sommes choisis. Le Conseil constitutionnel, c'est un organe qui fait partie de notre architecture judiciaire. Ils ont parlé, nous prenons acte. Mais que nous ayons aujourd'hui Ousmane Sonko qui dit par Facebook, je pense, se mettent vraiment à attaquer nos institutions, appeler à l'insurrection, c'est pas acceptable. Et ça, il faut le sanctionner dans les urnes. Il faut le sanctionner dans les urnes. Personne ne le suivra, de toute façon. Et deuxièmement, nous appelons nos militants à rester mobilisés. Parce que c'est dans ça que fait. Il ne faut pas penser, et on l'avait dit ici à cette table, que ce sont des déclarations qui peuvent impressionner qui que ce soit. Ça n'impressionne personne. Ça n'impressionne personne. Nous resterons mobilisés et nous allons délivrer nos messages en direction des populations parce que nous avons un programme à proposer aux Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils ont à dire Il y a eu concernant l'éducation, l'emploi des jeunes sur lesquels le président de la République Macky Sall travaille jour et nuit. Ont-ils des propositions alternatives à faire Qu'est-ce qu'ils ont comme idée concernant l'agriculture, la pêche, l'art, la culture, l'énergie que nous avons réglé Quand nous arrivions en 2012, quand le président arrivait en 2012, on le voyait avec les Cette question est en train d'être derrière nous. Nous allons construire ce pays avec les Sénégalais, épris de justice et de paix. les jeunes ont envie de s'éduquer, d'aller à l'école, d'aller à l'université. Ils ont envie d'être formés. Ils sont dans leurs ateliers de couture, euh, de mécaniciens. Ce sont des pêcheurs, ce sont des artistes. Et ils ont besoin de vivre leur vie de jeunesse. Qu'est-ce qu'on vous offre à la place Chaque fois que M. Sonko considère que quelque chose peut lui être défavorable, il va vous appeler dans la rue à ouvrir vos poitrines, à prendre des balles. Et ça, c'est inacceptable. La jeunesse ne l'acceptera pas. Donc, c'est ce qu'on voulait dire très, très précisément. Nous acceptons la décision de justice, nous ne la commentons même pas. Mais sur le plan politique, les réponses sont très claires. Sa déclaration d'hier est inacceptable. Inacceptable dans un pays de droit. Et je pense qu'il faut aussi que les Sénégalais en prennent conscience aussi. Parce que le Sénégal, cette stabilité-là, mais nous y tenons tous. Cette République, nous y tenons tous. Et nous la défendrons aussi. Nous la défendrons jusqu'à notre dernière énergie. Nous continuerons le processus, évidemment, euh, électoral. La publication des listes se fera. Et nous allons, nous, descendre sur le terrain. Comme nous commençons à, à le faire, à nous organiser, nous avons une réunion tout à l'heure de Dakar. Euh, l'ensemble de nos responsables euh, sur l'ensemble du pays s'organise la campagne n'a pas commencé, les listes ne sont pas encore publiées, mais nous sommes vraiment d'attaque. Et ça, il faut, je crois que c'est ce qui explique aussi la panique d'en face. Parce que à l'arrivée, à l'arrivée, mais les choses seront très claires. Les Sénégalais se prononceront dans les urnes. Se prononceront dans les urnes et pas dans la rue. Parce qu'il n'y a même pas matière d'ailleurs. Nous sommes dans une démocratie. Donc, que le sieur Sonko se reprenne et qu'il sache que son discours est inacceptable. Nous sommes scandalisés et nous lui disons que toute notre jeunesse là, tous nos militants sont prêts et mobilisés. mobilisés. Nous tenons à la paix, nous tenons à la sécurité, à la stabilité, mais ils savent très bien, très bien, très bien que les gens vont défendre ce pays, vont défendre cette République, vont défendre cette démocratie. Voilà le discours que nous voulions vous donner pour, qu'il, pour que nul n'en ignore. kon mbokk yi li nga xam mom moom la ñu bëggoon wax ci kalamay coach ginaaw biñu ñu leen gërëmee ak ginaaw biñu féliciter suñu camarade yépp nga xam ne ñu woté amul guddii amul bëccëg ñu ñëw téwé moy aussi waxtaan ak askan wi ndax euh, ci suba yëg ngeen ne conseil constitutionnel bi nga xam ne ci wàllu justice mooy maqaama bi nga xam ne moo gën a kawe jël na ay décision bi ci njëkk mooy wax ne voilà kalaame yi ñu doon def ci parrainage u Benno Bokk Yaakaar ñoom jël nañ ko teg ko fële dañu ne sax jarul sax ñu koy jàng kon parrainage boobu dañu ko valider ñu féliciter ci vraiment suñu militants yi nga xam ne def nañ un travail sérieux sur l'ensemble du territoire Nous les vraiment félicité Nous bi li ñu jël ci décision ci liste Dakar ñu jël ci acte dañ koy ndax début ba bi démocratie n'ak aussi da am ñun conseil constitutionnel décidé ñu ko nangu kon nangu nañu sen décision loolu nak démocratie démocratie dafay tegu ci sàrtu yoon waaye li ñu dégg démb député Ousmane Sonko di wax jël Facebook am ne voilà mu ngi woo xale yi ñu génn ci mbedd mi dox jëm xaw ma fan dañ dem demuñ fenn sax moom ci boppam demuñ fenn sax ba mu ko waxee ba tey ma nga këram toog biir cuisine voilà doomu jàmbur yi nag moom ni mu ko gisee mooy moom bu jàppee ne am na loo xam ne lii xëy na du li mu bëgg mu woo doomu jàmbur yi ci mbedd yi ne leen ay leen ñu dee ñëw ñoo leen yéen ngeen dee bu amee lu mu bëgg nag parce que nag boobu après kenn du ko dégg mais loolu c'est pas acceptable c'est scandaleux li tubaab naan scandaleux loolu kenn mënu ko nangu ndax Sénégal dëkku jàmm la démocratie dafa yomb ay sart la tegu bu élection jotee ñu wote waaye moom ni mu ko gisee mooy woon ñi walla génn leen doon ñeenti téeméer xama ñaari téeméeri junne yi nii dañuy dox jëm fii jëm fële manam bëgg indi tasaru réew mi nak mom war na xam mënu ko taal tay mënu Senegal taal guddi songko. Senegal taal songko Sénégal mo mak Ousmane Sonko Sénégal Ousmane Sonko dana politique ba jéxal bayiko fi lolu mom aussi dafa dañu bëgg mu leer Nefi jam ci bopam mom fi jam ak salam mo fi am nit ñi tek mbir yi ci walu démocratie ñu jël droit bi jiital ko bu ñu demee élection nit ñi vote librement waaye bëgg indi fitna parce que nag moom li ñuy bëgg wax nag mooy nitu fitna la moom li mu jàpp mooy li mu bëgg bu amulee nañu indi fitna nit ñi génn ci mbedd mi seen bakkan yi loru loolu Sénégal mënu ko nangu Sénégal quand ay décennies dafa am ñu liggéey pour stabilité bi dafay nekk fi suñu kilifa diine yi moy leader politique yi nga xam xex nañ fi pour am démocratie moy soxna yi nga xam aussi liggéey nañu pour mu am parité pour que ñu mën participer ñom tamit donc lolu bu fekkee né dañ ci liggéey plus de 60 ans soixante ans du Sénégal nekkee Sénégal ba légui ben nit maanaam moom mënta tax Sénégal mënta nekk mënta tax Sénégal il faut aussi que jeunesse bi ñu comprendre lolu ndax ñom lay wo toujours jeunesse bi muy wo nak bu ngeen xoolee seen liste yi ñoom newuñ ci dé

surtout buñu xamé Sénégal environnement bi mu nekk jàmm jooju likoy indi moy démocratie biñu ñu topp nak nag ne ci talibé yi menacé té li muy wax nak mu xamné titalu kenn kooku mom loolu momit bu ko xamone dana ci noppalu amul kenn ku mu mën a wala ku mu mën a amul parce que nak fi aussi c'est un pays de droit waaye nak militant yi tok militant yi tok fi te ci Sénégal yépp kenn ñàkku ci fay kenn ñàkku ci fay li ñuy bëgg jàmm yépp te ñu bëgg ko nag parce que mooy li jig réew am na yoo xam ne yi kenn du ko nangu te jeunesse bii ñuy woo ci mbedd mi nañu xam ne ñoom li leen soxal mooy ñu mën a jàng mooy ñu mën a faju mooy ñu mën a am formation mooy ñu mën a am liggéey kon débat bi na porté ci loolu ñun li ñu nar a def moy ànd ak fulla ak fayda waxtaan ak sénégalais yi wax leen suñu ay proposition ci domaine yi ma leen wax muy emploi maanaam xëyu xalé yi te président ci góorgóorlu bu baax baax électricité te ñu xamné depuis 2012 vraiment bari na luñ ci faj muy infrastructure amut fo mëna dem ci Sénégal te légui amo yoon muy ndox muy cadre de vie voilà muy jigen ñi aussi suñu aada ak suñu cosaan aussi ñu sàmmal ñu ko aada y la ja aada diisoo temps, tax démocratie sénégalaise vraiment euh, am taxawaay bi mo am kon lolu mom ci bopom pour yak Sénégal tout na ci yak Sénégal Sénégal sax kenn da ko mënu la yak kon loolu it nañ ci waxtaan ak askan wi vraiment wax leen ni qu'on ko ñun accepté nañ li conseil constitutionnel décidé dinañu dem ci ay voilà dinañu organiser suñu bopp ànd ak suñu jeunesse woo jeunesse bi aussi ñu mën a ràññee bañ aussi manipulation bi ndax nag aussi defe nañ ne xëy na yéen seen xel dafa woyof ba ku ñëw këf ko jeunesse sénégalaise ku ko xam gis ni mu génnee massivement bi ñu indee Coupe d'Afrique bi des millions et des millions génn célébrer nos joueurs ñibbi tranquillement xam ne jeunesse boobu kenn mënu leen a mel mu fii kenn mënu leen a dañuy jàng rek voilà donc jàmm ji jàmm ji vraiment mooy li am solo Sénégal yàgg na organiser ay élections dans la discipline voilà élections yi ñu mujj mooy les élections municipales ku gagner gagner te am nañu yaakaar incha allah le 31 juillet Benno Bokk a dina remporter largement les élections ou deux. questions. Donc, nous allons prendre deux, trois questions. Puisque nous, je le rappelle, nous, osons faire place. Nous ne faisons pas de déclaration. Divulga. Hum? Divulga. Allora, voglio fare giornalista della 7 Allora, nous prenons acte bien que évidemment la décision nous est défavorable et quelque part nous intrigue mais ce n'est pas le plus important le plus important c'est que nous respectons la décision du Conseil constitutionnel Eh, c'est un journaliste, hein ah, Attends, attends, allez-y. Youssou, allez-y. Allez-y, ouais. Youssou. Youssou, allez-y. Eh, Youssou, allez-y, autrement c'est difficile yow journaliste président alors euh, je vais poser une question par rapport à l'appel à l'insurrection Ousmane Sonko dans un contexte où le Sénégal quand même ñi ngi ñaan yàlla ñi ngi wax ci réew mi di ressource pétrole gaz ak li teg comme développement ailleurs mu ñaan yàlla fi solution madame la ministre la question est-ce que en tout cas dans une état souverain loolu xel na ko yaa ngi wax nga ñu xale yi dund moom da nga di perte de politique appel à l'insurrection tey que ça passe en réaction demain est-ce que dootu mën a dire écoutez donc mënul ngeen grave te lan mooy taxawaayu véritable état en tant que jërëjëf defe naa ne ñun Youssou ñun duñu duñu état nous tok fi ñun ay politique lañu yu mais li ma wóor ba état day jël ay responsabilité état moy jël ay responsabilité je pense que effectivement c'est un fait très grave dans un contexte où on voit d'abord ce qui se passe même dans le pays et dans les pays voisins. Sénégal n'est que l'îlot de stabilité et de paix au moment où on parle, ou on annonce notre production de pétrole et de gaz. C'est à se demander, c'est à se demander, est-ce que Ousmane Sonko ne prie pas pour que le Sénégal soit instable C'est la question qu'on se pose. la question sérieusement qu'on se pose. À qui profiterait l'instabilité du Sénégal à laquelle appelle Ousmane Sonko No, no, no, no, no, no. Ah. camarada, Wow, wow, y répondre tout simplement. Euh, d'abord, pour ceux qui connaissent le président de la République, ils doivent savoir que ça ne lui ressemble pas du tout. Pas du tout alors ce qui a été décrit. Et je peux vous apporter, vous dire de manière collaborateur, Respecte ses collaborateurs le président Macky Sall est connu, est connu pour sa grande cordialité. Et bien au contraire, hier, le communiqué d'ailleurs est sorti, il a remercié, il a remercié tous les alliés, et évidemment, il a remercié et félicité le mandataire. C'est tout le contraire de ce qui a été écrit. Donc ne vous laissez pas non plus parfois manipulé par la fausse information que certains essayent de, de mettre dans, dans l'actualité pour diviser nos rangs également souvent. Au contraire. Voilà, et il a vraiment encouragé toute la coalition à rester forte et unie parce qu'il ne fait aucun doute pour lui que le 31 juillet, notre coalition sera victorieuse. Donc, madame, en un mot et en mille mots, cette information est fausse. Et merci de l'avoir posée pour également la clarification. Voilà, ils ont pas à Bon, monsieur, je pense que nous n'avons plus de questions.

Berne say wuti ndab li Inch'Allah, le 31 juillet. Merci beaucoup, euh, chers amis, chers camarades. Ainsi s'achève, je pense, ouais. Euh, cette adresse à la presse. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Très bientôt. Merci. Félicitations. Félicitations. Félicitations.